yu wax ne li ñu fi dajale tey mooy programme cent mille programme cent mooy programme bi nga xam ne le président Macky Sall moo ko teg yéene sénégalais bu nekk mu mën a am kër ak revenu bu mu mën a am ak fu mu mën a dëkk ak activité bu muy mën a yëngatu ñu jàppale ko ba mu mën a am kër loolu mooy programme cent mille logements tey ñu ñëwoon. Si ci Bambilor mu projet parmi parmi projet 000 logements 000 logements. Nous fekk ñi nga inscrit plateforme pour mon a am kër donc si je koy rappeler en 2020 nous avons lancé programme en décembre nous dañu une plateforme d'inscription. pour de manière transparente may sénégalais les gens qui ont ak foo mën et ak gagné si revenu nga inscrire librement Si ko sénégalais yi inscrire nañ ba tey jege presque 300 000 inscrits Nous leen di sant di leen confiance boobu le gouvernement Sénégal di après étape d'inscription, deuxième étape est le profilage Nous nañ leen ci bureau

dès ginnaaw suba jeudi incha allahu rabi ñu mën lancer dernière étape bi mom lañ tuddé le guichet unique guichet unique nak moy lan moy étape bi nga xamné ci yombalal gi ñuy yombalal pro euh, yi ñu am kër. ñu éviter leen ñuy def ay déplacement di dem banque ñu éviter leen ñuy def ay déplacement di seeti notaire di seeti promoteur et cetera ñu dajale ñëpp ci ben endroit muy fonds pour l'habitat social buñ ñëwé fofu je vendredi inshallah allahu rabi jeudi dinañ fa fekk la banque dinañ fa fekk fonds JIP dinañ fa fekk le promoteur dinañ fa fekk le notaire nga xamné formalité yépp dañ koy def ben yoon sur place nga xamné buñ fa jugee rek li ñuy waajalaat mooy jox leen seen caabi kër loolu la ñu président de la république Macky Sall sant suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow ak madame la secrétaire d'État Victorine Ndeye loolu lañ ñu sant pour ñu jàppale sénégalais bu nekk mu mën a am kër ñoom ñi ngi nii je pense que bu ñu fi jógee léegi dinañ mën a def seen témoignage depuis bi ñu inscrire ba léegi bàyyiwuñ leen chaque jour ñu ngi leen di woo di leen wax seen dossier fum mu toll bañ ci étape bi tey bo, xam mën nañ considérer que moi étape finale parce que ginnaw suba jeudi lañuy ñuy guichet guichet unique bi loolu mooy kàddu yi nga xamné ne bëggoon nañ ko sanni fi buñu paré jox promoteur bi mu dikkat ci kër yi nim ko tabaxé etc buñ ci paré ñu jox Safri mi nga xamné mo yor société d'aménagement mu expliquer ñu aménagement yi fum ci tollu bu ñu paree ñu jox banque bi mu expliquer ñu également mom tamit crédit dans nan lay def ba joxé ko fonds explique expliquer garantie bi ñu jox monsieur le préfet mu daal di tej ñu ngi leen di leen euh, Babacar Soumer Diouf directeur général de la société immobilière d'investissement S2I euh, promoteur euh, constructeur et aménagiste. Donc là nous sommes sur les résidences du Lac Rose et bienvenue à tout le monde. Euh, les résidences du Lac c'est un chantier que l'on a commencé il y a à peu près un an et demi. Et euh, les premières euh, villas sont sorties de terre en septembre 2021. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Baba Carfal, qui est le conseiller technique de la SDZI et qui va parler davantage de l'aspect technique du projet. Ce programme concerne les 100 000 logements et vous êtes sur le site de la SDZI qui va abriter 2000 logements avec 153 aujourd'hui F3 qui ont été construits euh, en mode pavillonnaire. C'est des villas qui comprennent deux chambres, salon, cuisine euh, et des salles d'eau. Euh, donc je pense que c'est une surface bâtie de 70 mètres carrés. Le promoteur a eu l'initiative par rapport à ce projet de dire, voilà, les Sénégalais sont souvent confrontés à des réalités. nous sommes un peuple qui est un peuple constructeur, qui travaille toujours dans la verticalité des extensions. Et sa contribution a été de mettre euh, des fondations en type R 1, ce qui a salué et ce qui est une, euh, nouveauté dans le secteur. comme on dit tout le temps, dans la construction, c'est une vision. C'est une vision déjà pour euh, bâtir quelque chose et il faut un artifice pour le permettre d'y arriver. Le promoteur a saisi l'ensemble des bureaux techniques, pour le contrôle technique plutôt, des, bâtiments, qui a travaillé avec des missions de contrôle, notamment euh, SCAT, Alpage que nous remercions, euh, qui a travaillé avec un architecte. Et je pense que l'ensemble des euh, constructeurs sénégalais ont été présents sur le site parce que la construction a été faite par euh, des entreprises 100% sénégalaises, clé en main, ce qui montre encore l'expertise sénégalaise est là. Et il suffit d'avoir un accompagnement pour pouvoir atteindre les, objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, sur 70 mètres carrés, je pense que tout propriétaire, propriétaire du, de la villa peut aujourd'hui se dire, voilà, je peux me réjouir d'avoir des villas qui répondent au standing et qui sont quand même dans l'innovation parce que vous, on avait l'habitude de voir des villas en type euh, grillage et autres. Alors nous, on est sur l'aluminium, euh, qui dit de l'aluminium, quand même, le standing. Et euh, en termes d'aménagement, je pense qu'aujourd'hui avec la SAFRU et les différents partenaires sur site, euh, la question de la VRD sera traitée et qui est en train d'être traitée même. Donc c'est en phase de finalisation. Et je pense que c'est un site qui pourra accueillir quand même 2000 unités de logement, voire 10 000 âmes sur site. Et ce qui est un programme qu'il faut saluer l'ensemble des prestataires, l'ensemble des partenaires, nous les remercions. Nous remercions également le ministère qui nous a accompagnés à travers son directeur de la construction, M. Cham, euh, la secrétaire d'État, Mme Victorine, et l'ensemble du ministère, euh, notamment le, ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion quand même pour dire aux Sénégalais, le projet est là, il est réel. Euh, aujourd'hui, l'extension dépendra de nous, Sénégalais, si nous approprions le projet. Et c'est un accompagnement qui se fera avec les différentes institutions, par le respect des institutions et par aussi l'abnégation dans le travail. Et aujourd'hui, ceci nous a permis d'avoir les 153 premières unités. La SAFRU a été mise en place par l'État du Sénégal, donc à travers une loi pour assurer l'aménagement des sites devant abriter les programmes immobiliers de l'État, mais aussi assurer la restructuration et la rénovation urbaine. Et dans le cadre de ce projet du 100 000 logements, euh, la SAFRU est l'organisme aménageur chargé donc d'assurer la viabilisation du site. Donc il y a des, tout ce qui est relatif à la libération de l'emprise, donc c'est acquis. Donc il y a la phase étude, donc c'est acquis. À l'état actuel, nous sommes sur la phase travaux qui va démarrer incessamment. Vous verrez même qu'à euh, à l'état actuel, nous avons commencé déjà à dégager l'emprise pour pouvoir actualiser les levées topographiques et commencer à réaliser ces voies. Il faut dire que ces voies vont relier la route de Denis à la piste de la Croze. À l'état actuel, ce qui voudrait dire que vous, euh, en quittant hum, la route de Bayach, la route des vous allez prendre une voie bitumée jusqu'en arrivant au site. Donc vous n'allez pas marcher sur un chemin de terre. On a voilà, c'est ça. <laughs> Donc euh, dès que cette voie sera réalisée, ce sera stratégique. Mm. Donc vous allez cheminer jusqu'à arriver sur, site mm. avec une voie bitumée. Voilà, mais on, espère aussi avec la mm. que l'autre piste quand même, comme ils l'ont fait à Denis, mm-hmm. que ça puisse être euh, réalisé pour que plusieurs possibilités mm-hmm soit euh, possible mhm. pour les populations qui, habitent, qui vont habiter au niveau de la zone. Mhm. Il faut dire également qu'il y a la côtière, la VDN, hein. donc tout à fait au nord. Et là aussi, si c'est réalisé avec la Géroute, ça pourrait également, encore une fois de plus, desservir donc, le Cette site. voie d'accès devrait être disponible pendant combien de temps Bon, actuellement, comme je vous ai dit, hein, nous allons le démarrer incessamment. Mhm. Mais euh, comme il y a l'urgence, donc avec les études APD, on aura exactement donc, le délai de réalisation. Mais déjà, on a, avec ce que nous avons comme élément, nous pouvons commencer déjà à démarrer les travaux. FONGIP, comme vous le savez sans doute, c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires qui a été mis en place par l'État du Sénégal justement pour venir euh, en appoint en tout cas euh, aux, crédits qui sont octroyés par, euh, par les banques, donc aux entreprises. Et dans le cadre du programme des 100 000 logements, euh, euh, l'administrateur général du fonds, du FHS, l'a dit tout à l'heure, c'est des étapes. Et le fonds GEP aussi est à une étape, en tout cas, du processus euh, qui consiste à accompagner la banque dans l'octroi du, crédit. Donc, le crédit qui est octroyé aux acquéreurs de, de, ces belles maisons que nous venons de, de visiter ont besoin derrière d'être garantis pour pouvoir accéder à ces euh, à ces maisons. Donc c'est dans ce cadre-là que le Fonds GP est en partenariat avec le, FHS, euh, euh, le partenariat qui a été sanctionné d'une convention de gestion où le Fonds peut gère la partie, la ligne de garantie qui a été prévue par le FHS dans le cadre du programme des 100 000, des logements. Donc nous sommes à la fin, du, on va dire, de, de la chaîne. Euh, après toutes ces, étapes qu'il a citées tout à l'heure, donc le FONGIP interviendra à travers la garantie pour faciliter euh, l'accès à ces logements aux bénéficiaires euh, qui sont là, qui sont venus faire la, visite. Et l'étape aussi que nous sommes en train de, traverser est primordiale parce qu'à notre niveau, nous pensons qu'un client qui doit habiter dans une maison, avant de s'engager à signer un contrat de réservation, il faudra d'abord qu'il vienne savoir ce qui est prévu, ce qui est construit pour lui, pour s'approprier et aussi pour éclairer sa décision s'il va continuer avec le projet ou euh, voilà, il va peut-être décider de, se retirer et en ce moment le, FHS verra aussi qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce faut faire parce que comme il l'a dit, il y a pas mal de gens qui sont intéressés et euh, je pense que c'est un programme qui, quand il sera réussi, tout le monde vraiment s'en réjouira. Madame Astou Gay, conseiller du directeur général de la Banque de l'Habitat Empêché. Voilà, donc donc, euh, je suis là au titre euh, de notre accompagnement au niveau des acquéreurs. Donc, je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs par rapport au mécanisme. Là, ce que je peux dire, c'est que la Banque l'Habitat, ainsi que les autres partenaires qui euh, œuvrent dans ce projet, sont positionnés et ont mis un dispositif aujourd'hui qui sera fonctionnel d'ici jeudi, je pense, pour financer, procéder au financement des acquéreurs, analyser leurs dossiers et finaliser. Vous savez que la Banque de l'Habitat, depuis 43 ans et euh, dans le financement euh, et dans la facilitation de l'accession à la propriété foncière à faible coût. Et ce projet aujourd'hui remplit parfaitement les conditions. Le dispositif qui a été mis en place par les différents partenaires ainsi que le gouvernement pour accompagner les, euh, ayants droit et les acquéreurs est mis en place. Donc nous allons pleinement jouer notre rôle pour accompagner les différents acquéreurs dans le cadre de la finalisation de ce projet processus aujourd'hui. Donc euh, nous sommes agréablement surpris par l'évolution de ce logement, par la qualité et par l'engouement de la population derrière nous. Euh, nous avions déjà vu l'inscription dans la plateforme. Le niveau d'inscription est régulièrement remonté par euh, l'administrateur directeur général ici présent. Et nous avons pu voir par nous-mêmes l'engouement qu'il y a pour ces logements-là. Et vraiment, je voudrais ici vous dire que nous sommes à fond avec les différents partenaires et les acquéreurs pour

liñu gis li commencé ci ministère ba biñu exé ci direction bi moy akay bi mo ci ëpp solo dañ ñoo fonku mel ñun euh, ñom ñoo ñu soxla ta fekk ñun ñoo leen soxla buñ ñu wowe téléphone day and ak yar ak teggin suñu fa ñëwé day mela melni ñun ay bour lañu diñu jox nak ay information yo xamni c'est pas obligatoire diñu rendre des services yo xamni c'est pas obligatoire man nag li may gën a def surprise mooy bi ñu euh, korité ñu wooñu ni ñu da ngeen di dem visite waxtaan ak ñun promoteur bi toog DG toog ak équipe bu baax bi te yaru te mën a liggéey ndax man ni ma gisee programme bi mooy defoon naa na am ay juróomi at ñu soog a egsi ci lii bi ñu ne euh, terrain bi TF la ñu valoriser ko ci xayma ko ci vingt million pilis teg ci tabax bi lépp lépp ñu war ñu koy jaay ci lu matul fukki million ak juróom ci ni ma ko jàppee ndax xamatuma lim bi fukki million ak ñaar kon matul fukk ak juróom kon loolu ñun dañ ciy sant bu wér a wér di saluer programme mu président de la république ndax 100000 logements ci programme émergence la bokk léegi nag ñun ñi ngi sant bu wér a wér di wax ni ministère bi seen liggéey rafet na waaye direction bi nga xamante ne bii ni ñoo yor fonds yi lekk nu xaalis bi lekk te it bi nga xamante ne bii ni def nañ ko bu doon añ ak reer ak ndékki ñoom teg nañ ci désert ndax du ay buntu yoo xam ne ay bant la ay teg daaj li ñu fi gis daal doy nanu ñun nag dañoo nekkoon secteur social informel ñoom ñu indi ñu secteur social mais formalisé ndax ku ci amul euh, salaire amoo euh, kii contrat de travail fexe nañ ba def loola sa entreprise individuelle nga formel te buñ ci jógee yaakaar naa ne dinañ wéy ak banque de l'habitat bi nga xam ne dañ ay kër a ko tax a jóg mais ñoom dañ ñoo jàngal yoonu liggéey ndax bu nu fayee kër yi ba mu mat sañcee ak ci kaw bu nu paree këyit ga buñ ko delloo banque mu jox ñu ñu liggéey kon da ngeen ñoo wutal dëkkuwaay jàngal ñu liggéey ñi mënul woon a liggéey ñi mel ni man ñi daan liggéey ngeen yokk seen liggéey kon dañuy wax jërëjëf di wax ni kàddu yi na egg ci président de la république bravo ministère des logements waaye tamit jaaraama pour l'habitat social ñoo ne ca Védène ba njiit li di directeur Ousmane Wade ñun li nu am dafa jafe liggéey bi gaaw na DG bi yaru na waaye tamit ñi muy liggéeyloo buñ ko gisee buñ ko gisul yëpp na nga xam ne kuñ ci woo lañu lay wax ak lañ lay jëflanteeg yow daal sedd na xol ñun moom wax dëgg yàlla respect bi ngeen ñu jox man ndax sénégalais fii ku ni social ñu ni ko amul dara te social mooy defal tuuti ma def li gën a bari yéen nag li gën a bari def ngeen ko ñun ñu def tuuti li ngeen ci doon xaar nag yàlla may na leen ko mooy ngeen ñu mi ngi nii ñun it ñaanal leen ñu yàlla may ñu ci ak kartan ak jommi fay ko ndax nag objectif golobal def ngeen ko résultat attendu mooy noonu fay pour ñeneen am yal de l'arrondissement moi je crois que les mots que je vais placer ne vont pas être trop longs donc c'est des mots de satisfaction de remerciement et de félicitations. Euh, de satisfaction au nom de Monsieur le Président de la République qui a cette vision éclairée donc de définir une politique sociale jamais égalée au Sénégal euh, dans tous les secteurs. Donc euh, aujourd'hui, présentement, nous sommes dans le domaine de l'habitat social avec le projet des 100 000 logements euh, exécutés par le pragmatisme du, de M. le ministre de l'Urbanisme et de toute son équipe, toutes ses directions générales, toutes ses directions et son cabinet qui n'ont ménagé aucun effort en un si court temps de réaliser les projets définis par M. le Président de la République l'administrateur du fonds pour l'habitat social l'a dit tantôt. Donc le lancement qui a été fait en 2020, en moins de deux ans, c'est la première fois qu'on voit un projet d'habitat social qui soit exécuté en un temps si record. Donc euh, là, c'est grâce à la vision éclairée de M. le Président de la République, mais également à la détermination, au pragmatisme de tous les acteurs qui ont travaillé autour de ce projet, c'est-à-dire euh, le Fonds pour l'habitat social, le cabinet du ministre de l'Urbanisme, les directions générales, mais également euh, donc, la Banque de l'Habitat, le Fonds GIP, qui ont accompagné donc, le ministère de l'Urbanisme et ses démembrements pour réaliser ce, gros bijou. aux acquéreurs, donc euh, je les félicite euh, d'avoir eu confiance à la politique de l'État. Aujourd'hui, ils sont conscients de ce dicton Wolof qui dit que Wedigis Donc euh, ils ont vu eux-mêmes mhm. donc les logements qui sont vraiment pas des logements qui dépassent vraiment le, niveau social. Et c'est mhm. l'occasion pour moi également, au nom de M. le Président de la République, de féliciter le, promoteur donc de sa générosité, d'avoir pensé très tôt à éventuellement l'extension donc pour les, pour les, pour les acquéreurs, donc, euh, en faisant vraiment tout ce qu'il a fait dans le cadre de la fondation et autres. En tout cas, maintenant, aux autres demandeurs sénégalais de croire au projet, c'est une réalité. Euh, les logements sont là, donc euh, l'administrateur l'a dit, donc ils ont fait toutes les régions. Mhm. Aujourd'hui, c'est au niveau de la région de Dakar, particulièrement au niveau de l'arrondissement de Sangalkam, qui est un, un, lieu très convivial avec un climat extraordinaire et l'accessibilité donc, euh, grâce à toujours cette vision éclairée de M. le Président de la République dans le cadre du désenclavement donc des zones les plus reculées avec la VDN, euh, les routes que la journée a bien voulu construire. Donc euh, bref, sur le plan sécuritaire aussi, je, les rassure, c'est une zone très bien sécurisée. Il y a partout des brigades de gendarmerie. Il y a une brigade de gendarmerie au niveau de Lac Grosse, Nous sommes à côté de Lac Grosse, Il y a une brigade au niveau de Bambilor. Il y a également l'escadron de Sangalkam qui sera bientôt installé. Donc tout ce dont ils auront besoin pour être en paix, pour vivre paisiblement dans cette zone, donc est là. Donc je leur souhaite vraiment euh, une pleine jouissance au niveau de ces logements et plein succès à tous les acteurs.